il faudrait qu'on revienne à la raison Nous soit à entreprise On avons une entreprise vous. on l'appellerait par exemple le GIE euh, du départ du PDS du pouvoir Si une entreprise une une am action man une action, yi dinañ ma action wante nag ab président Abdoulaye Wade gàcce franchement parce que nag président du Sénégal nous gagnons l'élection locale. élection locale nga gentleman mais gaa ñi jàmm ñu liggéey teg ci nak loolu kenn duma ko netti parce que amna na lu ma fekkee Khalifa Sall président Abdoulaye wad woko ko ne ko lan la mëna def pour jàppale la ci sa mission ça il faut être démocrate pour le faire kii nak mom pour leen ko méré parce que ci jikko bi la xam ngeen la démocratie c'est d'abord un état d'esprit il ne connaît pas la démocratie. Malheureusement, il n'a pas non plus appris ses leçons avec le président Watt. Parce que des fois, vous avez un bon professeur, mais malheureusement, vous êtes un esprit tordu. Vous ne pouvez pas écouter. Parce que l'Union du Sénégal, Les présidents Macky Sall, Djangouko, pas moi au PDS. C'est de la dictature. L'autre, l'Union du Sénégal. C'est la raison pour laquelle, Mandouma Koudel, dama wax ngeen da bëgg ñu sensibilisation chez les euh, personnes en charge de la communauté lébou quand je parle du président euh, de comment dirais du grand série de Dakar je parle de mon père et je suis plus qu'à l'aise de parler de mon père je vais attirer votre attention aussi il faut qu'on se comprenne on parle de Dakar on parle de notre avenir dañu may kenn mu koy tong-tong wala politique di ci parce que quand on a arrêté le maire de Dakar je suis désolé les notables de la communauté lébou auraient dû prendre position d'Essna. parce que ñëpp xam nañ pas jàpp bu ñu jàpp Khalifa Sall mbiru politique donc j'aurais souhaité que cette fois-ci aussi qu'on puisse dire à nos oncles à nos papas qui ont à la charge de cette communauté qu'ils doivent savoir que ce sont des autorités et non des autorisés. Je pèse tous mes mots. Moi, je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville, j'habite dans cette ville. Mais une autorité, ça assume des responsabilités. Un autorisé, ça exécute des instructions. Et le Grand Serigne de Dakar est une autorité. Il a la responsabilité morale, premièrement, ensuite politique, parce que c'est un homme politique. Et on fait de la politique de dire au président Macky Sall que trop c'est trop On ne bi on va pas tourner autour du pot Dakar au Dakarois pas le dëgg tey Dakar c'est la seule ville du Sénégal qui a un statut constitutionnel La constitution du Sénégal que Dakar Il lañ tout doux comme ville on dit Dakar est la capitale du Sénégal nga avons ñu gëm que maintenant nous avons wax que Dakar est un en district district la capitale des États-Unis, c'est le district de Columbia. C'est la seule ville des États-Unis qui n'est pas représentée ni au Congrès américain, ni au Sénat américain. Suivez mon, suivez mon regard. Dakar a sept députés. Ça dérange le pouvoir de ne pas être capable de gagner démocratiquement les sept postes. Ils ont dit qu'ils ont gagné les sept postes de Dakar. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont gagné l'élection présidentielle à Dakar. Mais où se trouve la logique Pourquoi vous ne voulez pas organiser d'élections locales Et pourquoi vous voulez ériger Dakar avec un statut spécial Donc, moi, je veux dire, wax nous a nous ñu wax ñu nous fan la ak naka la ñu nous ak Macky Sall mu xamné nous lu ëpp des parce que nak wax ñaari baat nous bi gars yi dinañ ñëw na leen waaw mais président Macky Sall waxul waxu statut spécial moko wax Berenbi, il va reculer pour mieux sauter. Le combat ne se limite pas au statut de Dakar. Le président Macky Sall doit aussi donner les cartes d'électeurs. Montar Manalen, qu'est-ce qu'elle Si ils ont pu faire ce qu'ils ont fait avec les élections législatives et dire que qu'ils ont des postes au Dakar, nous avons gagné l'élection présidentielle fibre Dakar, c'est parce que nous avons carte d'électeur faites un sondage fi ngeen wax ñaata ñi fi ak ñaata ñi carte ak ñaata ñi amul sen carte wax ci lan ko ci yoon collectif la am mais ce collectif pour mu un collectif audible la politique et l'action citoyenne ce sont des actes nit da ngay jëf gis ndar

bés bu ngeen jógee taxaw tem wane seen bopp di ngeen xam ne ni que gaañ yi dañuy caaxaan te mëtuñu sax kilifa